À partir de demain 24, nous mettons en place une plateforme où on, peut, on pourra bénéficier euh, d'un montant on pourra bénéficier d'un montant de 268 500 000 qui sera délivré par appel à projet euh, à travers une plateforme. Donc il suffit de souscrire au niveau de la plateforme pour effectivement accéder effectivement à ce financement de 268 millions 500 000. C'est, il y a un différé de 3 mois, donc payable sur 15 mois. Et je pense que les porteurs de petits projets peuvent euh, se suffire à cela. C'est compte non tenu du nanocrédit qui démarre avec 50 000 francs sur la, même plateforme de nano. Et euh, à chaque fois qu'on rembourse, on augmente 25 000 francs, c'est-à-dire 75 000, 100 000 jusqu'à 500 000, jusqu'à 2 millions. Les recouvrements nous posent problème. C'est pourquoi nous avons fait revenir la direction du recouvrement avec un bon staff. Il y aura des gendarmes. Euh, il y aura, euh, nous, avons, nous avons contracté deux euh, grands ténors du barreau, Maître Bamba Sissé et Maître Alsan Sissé. Mais il y a des agents de recouvrement. Nous avons mis à contribution les ASP. Nous avons des ASP. Même dans les antennes, il y a des ASP. Donc, je pense que nous allons recouvrer. Et je leur avais promis ça lors de ma prise de service. Par nature, je n'aime pas que les gens détiennent des dettes alors que d'autres en ont besoin. Ce n'est pas juste. Nous finançons, nous devons appel à projet. Une plateforme Si nous faisons appel à projet. Nous avons une plateforme nous finance. Le financement est de 200 000 à 2 millions. Ce qu'on a fait, nous avons fait 3 mois, nous avons fait 15 mois mu nekk ji góor goo xam ne amul 40 ans ak jigéen jigéen moom amul âge bu dee personnes yi nga xam ne d'handicap aussi kenn du leen jox benn intérêt du dem ci ñoom wax nañ leen façon financement yi am commencé ci nano crédit ba ci ñi am projet à partir de 5 millions nga xam ni bokkul ak ñi nga xam fi la 2 millions yi yem enveloppe bi nga xam ne moom mooy commencé suba 268 millions 500 mille la am nañ problème de recouvrement te moom fay moom dinañ ko def parce que man au niveau de la DER def nañ dispositif boo xam ne jotuma ci sax xuus torop mais def nañ en mettre nañ en place direction juridique direction recouvrement IGE ñu nga fa pareeguñu ñoom ci seen bopp d'accord nañ ne dañoo war a dellu si direction recouvrement donc loolu euh, ñu xam ne ku leb da ngay fay ñuy ñaax suñu mbokk jigéen ñi xam ni du xaalis boo xam ne politique la du xaalis boo xam ne dañ ko maye du xaalis boo xam dañ ciy làng du xaalis boo xam dañ ciy def fay dayale xaalis pour liggéeyukaay la pour que ñoom seen autonomisation bi ñuy jooy fu nekk autonomisation boobu ñu yegg ci ñu bokk ci koomu réew mi xale itam bokk ci koomu réew mi